internet comme je disais c'était un sentiment de satisfaction de fierté pour toute la population rufiscoise. c'était la première chose c'était de présenter la coupe à la première autorité de la ville euh, au maire Albé à toute la mairie de Rufisque donc, euh, pour convenir du chemin qu'on va faire, la participation à la Coupe d'Afrique, l'accompagnement, la fête sargol TFC. Donc, c'était faire le bilan de la saison, c'était le sujet de la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de, cette rencontre-là Que la va accompagner TFC et qu'ils vont faire le maximum pour que le stade soit fonctionnel avec la GTIP. Euh, la Coupe CAF, comme par hasard, cette année arrive hyper tôt, le 4 août. Donc, on est dessus. C'est comme si on enchaînait la saison. Donc la mairie va mobiliser et voir aussi les entreprises qui peuvent mobiliser. Donc euh, nous, allons, nous allons continuer le travail. Albendoï, le maire, a été désigné comme point focal, coordination de recherche de moyens, tout ça dans le district. Euh, le maire est prêt à vous accompagner pour la campagne africaine Oui, il a dit qu'il est prêt à nous accompagner pour la campagne africaine. Donc euh, nous allons faire l'expression de nos besoins, parce que qui dit Afrique d'y recevoir, voyager et mettre les adversaires dans de très bonnes conditions. L'Afrique, euh, c'est ce n'est pas le championnat du Sénégal, C'est, euh, ça requiert beaucoup de moyens. Donc il a dit qu'il est fier d'être le premier maire déjà à avoir une coupe après 42 ans et qu'il va accompagner Tenguet FC à 100%. Euh, hein? Oui, obligé, obligé. Là, on a reçu les bilans des staffs médicaux, administratifs et techniques. Le bureau va se réunir vendredi et samedi et juger la saison calmement parce que la saison de TFC, ce n'est pas seulement les 5 ou 6 matchs de coupe. Il y a eu 26 matchs de championnat. Euh, il y a les cadets, il y a les juniors. Donc euh, nous ferons une évaluation exhaustive. Et, mais l'effectif sera renforcé minimum à 50%. Est-ce Bon, nous avons les cibles, mais vous savez actuellement, comme le championnat vient de finir, euh, c'est très difficile de, contacter certains joueurs qui ont des projets de voyage, d'autres qui n'en ont pas. Donc la Coupe CAF arrive à un très mauvais moment parce que d'habitude c'était au mois de novembre. mais vous connaissez vous-même les joueurs sénégalais. Donc euh, à partir du mois de juin, chacun a un agent qui lui promet le Liban, l'Égypte, même à salaire égal, ils veulent partir. Donc ça c'est un, un, délai. Tous les jours doivent être inscrits à partir au plus tard le 30 juin. Sinon il y a des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 500 dollars par jour. Donc si vous avez un retard de 20 jours fois 500, ça vous fait facilement 10 000 dollars de pénalité. Est-ce que, vous avez un objectif euh, pour euh, CAF Déjà remplir le dossier CAF, parce qu'il faut la licence CAF, c'est les documents administratifs, juridiques, fiscaux qu'on a déjà remplis, que le stade soit fonctionnel, parce que la CAF l'avait rejeté pour Génération Foot. Sinon, on a introduit les dossiers de Pékin et de Thiès, mais nous souhaiterions que Rufisque euh, voit sa Coupe d'Afrique ici. Maintenant, les cibles, euh, nous c'est de bons joueurs. Il y aura un mélange de, joueurs du cru, des juniors aussi qui tapent à la porte. Il y en a qui sont pas mal avec le Sahari Meng et Al-Sandia. Plus aussi des joueurs d'expérience. Mais euh, ça sera une bonne équipe. Si on va à CAF, on représentera dignement TFC. Bon, je vous remercie, mes collaborateurs. Euh, dañ doon delloo si ko njukkal comme moom mooy première autorité ville bi euh, waxtaan def bilan ci saison bi ak remercier leen ci li ñu jàppale ci biir année bi ak xool fan la ñu jëm tamit ci biir saison bi di ñëw waxtaan nañ ci projet académie wu TFC ak problème foncier yi fi am ak tamit euh, lépp lu ci war pour Coupe d'Afrique bi incha allah. liñ ci mën a jàpp que mooy que maire bi pare na pour accompagner pare na pour accompagner ñu sur tous les plans ak ses moyens expliqué nañu ñu problème mu patente yi mu am ak Socosim problème mu suuf foncier bi am Tëngëj mais daal li mën dina ko ci def dinañ accompagner ak le maire Albendo yi dem seeti yeneen euh, sociétés yi ñu mel ay Valda Sedima ñi fi defuñu ko pour ñun pour xale yi Tëngéej ci lañ ko def donc pour ñooñu itam représenter dignement te itam dinañ gën a ñaax AGETIP pour mu ñëw defar stade mais maire bi daal nee na dina accompagner équipe bi ñu koy remercier si loolu. waaw loolu nag moo ci xaw metti parce que CAF moom d'habitude novembre la woon yenn saa yi février sax la doon démarrer waaye léegi 4 août bi le premier match bi loolu mooy sa équipe dafa war a pa warna na pare le juillet loolu daanaka xale yi ñu ngi door a pare ñu ngi vacances mais ñu ngi continuer liggéey TFC amul vacances joueurs yi dem nañ vacances staff dem nañ vacances dinañ def bilan bi après xool ci effectif bi ñan ñooy toog ñan ñooy des ñan la ñuy dolli loolu yëpp bilan ci xel bu dal ndaxte coupe bi rek cinq match la mais am nañ championnat tamit boo xam ne vingt six match la euh, pour man waroon nañ ci gën a mën classé ndaxte ren la donc pour man tam na. Hmm non dooraguñu sax dooraguñu fu mu ne nii daal bu dee recrue moom benn wala ñaar la te ay xale lañ 17 18 ans ñoo xam ne tëngëj lañu ñoo xam ne c'est des relèves am ñaari junior yoo xam ne dinañ yéeg ci senior Amna am na benn cadet bu surclassé pour mu dem senior donc foog naa ne loolu yëpp politique gu tëngëj la parce que boo xoolee joueurs yi amoon 23 ans bi ñuy tëj stade bi ñooñu am nañ 30 ans donc il faut que génération bu bees tëngëj ñëw donc on a cadet yaa ngi dugg équipe nationale junior yi. actuellement regroupement sëñ Saliou Dia am na ñaari Rufisquois yu fa nekk tamit donc pour le moment daal ci xale yi la ñu gën a nekk nekkagum ñi nga xam ne TFC lañ nekk ñu ñëw. waaw recevoir bi moom déjà même ci championnat bi sax xaw nañu gàllankoor tuuti bi ñu commencé ki bi daanu mooy bi ñu dem Guédiawaye di perte contre Casa Sport entraîné wuñu trois jours ndax concert Walis ak bi fi amoon. donc équipe yi foog mu stabilité boo xoolee équipe yi wàcc yëpp mooy équipe yi amul fu ñu entraîné Pikine bi ñu ko génnee mu dem Guédiawaye dafa wàcc Ngor bi ñu ko génnee dafa wàcc Sonacos bi ñu ko génnee Diourbel dafa wàcc yaakaar naa ne Tëngéej rek moo joué gum 5 ans ci biti te wàccagul donc loolu mooy wane rek méritu dirigeant yëpp du man nag dirigeant yëpp la mat nañu une vingtaine ñu ngi liggéey matin midi soir siège bi hmm. merci